d'abord sentiment de fierté lañ ci jëk am ndax euh, ki ñu nommé meilleur maire du Sénégal euh, da di maire bo xamante bi vraiment machallah taxawayam amna solo rafetna ndax maire la bo xamni day déglu commune am day déglu ay doomu commune am te yaakaar tay lolu moko may li nga xamni mom la am ndax bu yalla dogalé commune nga nekk ci le premier magistrat de la commune da fay jaadu nga delloo li nga xamni moy askan wi liñu mom te tey ji yaakaar naa loolu la def moo tax mu am mérit bi mu am moo tax dañ ci am mbégte bu baax ndax tey bu dul loolu tey doomu yaraax ndax juddoo ci dëkk bi màgg ci dëkk bi tekk ci dëkk bi tëral dëkk bi loolu la def kon dañuy am mbégte bu baax vraiment euh, wax ci moom ndax vraiment baaba kër maire u Hann bel la mais doomu Hann bel la te li ci gën a neex mooy dafa di maire boo xam ne secteur boo laal rek du moom moo décidé lam fay war a def ña nekk di gérer secteur ba ñoom ñoo am seeni proposition indil ko ko mu valider ko te yaakaar naa loolu boo dee kilifa di njiit tant que yaa ngi organiser woon noonu rek chaque jour rek ci ndam ngay ngay ngay dëkk donc looloo tax tey ñu jox ko prix ràññee bi ndax liggéey la bu ñu ràññee prix ràññee moom jar du lu ndaw ndax ràññee mooy ku ñu ràññee ci sa domaine ba mu fës te tey jii kon ci biir Sénégal bu ko bokkee ay nawle nous le ko ragné ko def ko le meilleur maire yaakaar naa loolu ndamu an Bel-Air la dañ am sentiment de fierté di ci bëgg bu bëree bari machallah sentiment de satisfaction sante yalla bu baax parce que li aussi tam yombul et di commencer à féliciter monsieur le maire Babacar Meng qui est à la tête et à la tête de l'équipe qui est le capitaine d'équipe. Donc l'équipe a bien joué, l'équipe a gagné. Depuis 10 ans, il est à la tête de cette commune tellement difficile y a toutes les problématiques environnementales, des, défis industriels, tout l'enjeu du développement est là. Anne Belair construit un cadre d'école. Ce n'était pas facile de le faire. Mais de la commune d'arrondissement aujourd'hui il y a une commune de plein exercice, quand on a un maire qui parvient à, se hisser à cette tête, ça c'est une, chose excellente. Et que vraiment tous les Anois s'en glorifient, les remercient. Et en passant, remercier M. le maire Bamba parce qu'il a gagné aussi le prix de la protection de l'environnement. Donc, Anne est effet, à travers ses dix fils. Donc, aujourd'hui, c'est Babacar qui est à la tête de cette commune et Mbakesek. Mais c'est tout Anne qui a gagné, parce que Babacar à lui ne peut pas faire tout le travail. Il a été un bon capitaine, mais il a un conseil municipal depuis pratiquement 10 ans. On vote tous ensemble le budget. On a des débats d'orientation budgétaire. On a d'autres sessions très houleuses mais à chaque fois que de besoin, on, on vient à l'essentiel, c'est-à-dire aller ensemble, tirer dans le même sens. Il y a des divergences, mais nous parvenons toujours à les contenir. C'est la raison pour laquelle c'est un sentiment de satisfaction. En tant que son premier collaborateur, son premier adjoint, je lui tire un chapeau et je lui dis que Tchikaou Tchikanam, Dame Lidesna, Inch'Allah.